le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Monsieur Dam, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou au micro Nefis Adam Sirfo. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Amfani FM 100 MHz, Quartegui FM 90.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook à Studio Kalangu, notre site internet à www.studiokalangu.org. Le forum du Studio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lesquels des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement. Notre thème de ce soir, c'est la polygamie, un phénomène social au Niger. Quand parle-t-on de polygamie dans la société Comment les sociologues définissent-ils ce phénomène Quelles sont les raisons qui poussent à la polygamie Quelle est la situation actuelle de la pratique au Niger quelles sont les couches sociales les plus concernées par la polygamie ici au Niger Quels sont les avantages et inconvénients de cette pratique pour les sujets polygames et leur euh, entourage Quel impact a-t-il sur les enfants issus d'une famille polygame Quels sont les autres impacts de la polygamie sur les revenus des chefs de famille et sur les activités ou affaires Comment les organisations qui luttent contre les violences familiales prennent en charge cette question Avec nous pour développer ce sujet, M. Alzouma Traoré, chargé des programmes à l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Bonsoir à vous. Bonsoir. Monsieur Issa Alou Aye, il est sociologue. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons en ligne une dame qui a préféré garder l'anonymat. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et restez en ligne pour la suite de ce forum. Chers invités, merci une fois de plus euh, de nous avoir honorés de votre euh, présence ce soir. La polygamie, on peut la définir comme étant un type de mariage dans lequel une personne euh, est unie à plus d'une femme. Monsieur Alou Aye, vous êtes sociologue, puisque la polygamie étant un phénomène social, comment vous définissez la pratique La polygamie, au-delà du fait qu'elle soit un phénomène social, c'est en vérité un fait social un fait social dans la mesure où euh, elle se présente euh, sous forme euh, d'imposition, de contrainte à la limite à l'être humain qui vit dans une société, dans une communauté qui a fait de la polygamie un système de gestion. donc, je disais, tout comme le mariage, de la polygamie se présente en tout cas dans nos sociétés comme un fait social, y a une certaine contrainte à l'individu relativement à un certain nombre de circonstances dans lesquelles l'homme se trouve et qui peut quelque part l'amener à prendre plusieurs, plusieurs femmes. oui. oui. Donc, euh, en, la définition, on peut dire que c'est un système euh, de gestion familiale hein, qui autorise ou bien qui permet à l'homme d'avoir plusieurs femmes ou hmm. plusieurs coépouses à la fois. Donc, euh, c'est un système hein, qui en tout cas, euh, dans nos sociétés, a une certaine prédominance liée à un certain nombre de raisons, des raisons sociales, des raisons économiques, des raisons religieuses, euh, tout comme des raisons économiques euh, et parfois même des raisons politiques. Oui, effectivement, d'aucuns disent sur les raisons là que parmi même les causes probables de la polygamie, c'est la volonté d'une descendance nombreuse. Alors, Monsieur Ayé, quelles peuvent être les causes de la polygamie dans notre société les causes euh, véritables qu'on peut dire, c'est d'abord peut-être une des premières causes, euh, elle est sociale. La raison sociale, c'est que euh, l'être humain dans une société, dans un milieu social, en tout cas où il y a une prédominance de la polygamie, est le plus souvent exposé ou tenté, j'allais dire obligé, à vouloir être polygame parce que tout simplement la communauté a du mal à concevoir quelqu'un qui a un certain nombre de minimums, un minimum j'allais dire euh, vital qu'il ne puisse pas, se contenter avec une seule femme. Donc, quelque part, euh, la, société pousse l'individu à prendre deux ou trois femmes lorsque déjà il a un revenu. il a des ressources économiques qui puissent lui permettre de subvenir à ses besoins. Parce qu'on pense tout simplement que, dès que vous avez les moyens économiques, il faut forcément qu'il y ait des femmes qui puissent venir accroître euh, la cellule familiale. Mais également, il faut voir que c'est une question de prestige socialement parlant, lorsque vous êtes polygame, euh, vous faites preuve d'une certaine euh, de la société vous faites prévaloir euh, euh, votre prestige, votre puissance et surtout la satisfaction de soi, la possibilité qu'on a de s'affirmer en tant qu'être humain qui a une certaine autorité qui a, une certaine, qui a pris de l'avance peut-être par, rapport aux autres sociétales. Donc, et, mais également, il faut voir le souci, en tout cas le plus souvent d'une manière sociale, euh, le souci de satisfaire un manque un manque lié parfois peut-être au besoin d'avoir un homme, un garçon dans la famille, peut-être avec la première, la deuxième, on n'en a pas eu. Mais l'ignorance aidant, l'homme pense que toujours peut-être en amenant une autre, je peux avoir ce garçon mhm. auquel j'aspire. Mhm. Ou bien juste l'affirmation de soi, comme je le disais, le fait d'avoir plusieurs enfants dans la famille, parce que les grandes familles, c'est de prestige dans la société. Cela nous amène également à voir les raisons euh, religieuses. En, termes de, de, raisons religieuses, on sait que euh, c'est à la limite une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que tout simplement, on pense que la polygamie, c'est à l'image du prophète. Il en a plusieurs, il avait plusieurs femmes, par conséquent, tout bon musulman devrait avoir. Et mieux, il y a une recommandation quelque part dans les hadiths euh, où on demande à la communauté du prophète de multiplier les enfants parce que le prophète l'a demandé que le jour J, euh, le jour de la rétribution, il aura une grande communauté. Donc ça, c'est également une des raisons qui peut pousser les gens à vouloir euh, être polygames. La, la, la troisième raison, peut-être la raison économique, c'est vraiment euh, cette raison qui occupe les uns et les autres parce que, surtout dans les sociétés traditionnelles, on pense que euh, avoir une grande famille, c'est source d'économie. Mhm. Parce que chacun est appelé demain à être, à apporter du sien dans la contribution à la cellule familiale. Mais également, lorsqu'il s'agit peut-être euh, d'avoir un champ, lorsque vous avez 4-5 garçons, ils vont venir, ils sont <laughs> tous des bras valides qui sont susceptibles de vous aider à, labourer le champ. Donc, euh, la, dernière raison, c'est la raison peut-être politique qui fait que le, chef, d'une manière générale, en tout cas nos sultans, vous allez le voir, tous tant qu'ils sont, il est difficile d'avoir un chef qui a deux femmes. C'est trois, quatre au-delà même. Il y a cinq, six. Parce que c'est une question de prestige, parce que c'est une question de puissance. Euh, le citoyen lambda a une, deux femmes, mais le chef, il doit avoir au-delà. Il faut qu'il démontre un peu, si vous voulez, euh, sa puissance à travers la multiplication des, femmes. Mieux que ça, il y, a cette raison politique qui, crée les alliances. Lorsque vous êtes euh, chef d'un village ou d'une tribu, vous êtes appelé à prendre les femmes dans les différentes euh, catégories, couches socio-politiques mhm. de, votre royaume. Parce que tout simplement, ça crée les alliances. Euh, tout celui ou toute communauté peut-être qui n'a pas une femme chez le chef, elle va se sentir moins impliquée dans la gestion du pouvoir. Donc ça, c'est une des raisons vraiment qui peut généralement le plus souvent amener les chefs à prendre les femmes dans pratiquement toutes les différentes ethnies ou sous-groupes de son royaume. Mieux que ça, parfois, ils traversent même les autres royaumes pour tisser les, les alliances, les pactes de paix. peut partir dans, un autre, dans une autre contrée pour prendre une femme afin de renforcer euh, son pouvoir politique. Voici, euh, si vous voulez, un peu résumer les, quelques raisons qui peuvent pousser vraiment les, gens à, être polygames. Merci à vous, euh, Monsieur Ayé. Nous allons prendre notre invité qui est au bout de la ligne. Madame, vous nous écoutez oui, je vous écoute. Comme vous venez de l'entendre, euh, la définition et les raisons qu'a avancé le sociologue sur la polygamie. Euh, en tant que femme, donc, euh, dites-nous quelle est votre perception de la polygamie. La polygamie a ses avantages et ses inconvénients. Même si l'autre n'est pas là, de s'occuper de lui et de s'occuper des enfants. Ces inconvénients, des fois, dépendent de les hommes. Parce que c'est eux qui faites en sorte qu'il y aura toujours des problèmes parce qu'ils montrent qu'on aime plus que l'une que l'autre. Oui. Mm. Et on montre aux enfants de l'autre, ils sont plus que l'autre, alors que c'est les mêmes pères, vous voyez. Parce que moi, à côté de chez moi, j'ai un couple polygame. Je te dis, le mari est décédé, mais malgré même après son décès, il y a toujours des problèmes. Des problèmes avec les, il y a toujours Des problèmes mhm. avec les enfants, les, mères. Deux fois, on leur dit, donc vous êtes en train de vous chamailler. Pourquoi L'homme à qui vous étiez en train de vous chamailler est parti. Donc, il faut à ce que vous cessez et continuer à, à s'occuper de vos enfants. Vous voyez Et il y a un Couple que je connais polygames, que je te dis, si on ne te dit pas que ce sont des polygames, tu ne vas pas croire, parce que tu ne vois pas. Il y a l'entente entre les deux femmes. Oui, il y a une entente entre les deux femmes. Même si elle gagne quelque chose de sa famille, elle va dire, elle va donner à l'autre. C'est l'autre qui a le droit de partager. Et, ça, ça dépend de l'homme. Hmm. C'est lui qui est à la base de ça. Hmm. Vous voyez Merci à vous. Restez toujours en ligne. Nous allons revenir vers vous. Le temps de donner la parole à M. Alzuma. Il est le chargé de programme à l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Comme vous venez d'entendre vos deux prédécesseurs, M. Alzuma, euh, selon vous, pourquoi les hommes, certains hommes optent pour, ce choix, la polygamie Bon, merci, madame. Je pense que euh, M. Aïe a largement, s'est largement euh, prononcé là-dessus. Donc les raisons qu'il a avancées, c'est tout à fait juste. C'est les raisons qui poussent euh, certains hommes à vouloir être polygames, c'est-à-dire le fait euh, d'abord euh, de tirer profit en ayant beaucoup de femmes. Il y en a qui vont dire il faut que j'ai une femme de teint clair, il faut que j'ai une femme de teint noir, il faut que j'ai une mince, il faut que j'ai une grosse. Donc il faut que j'ai tout ça là pour me sentir homme, pour me sentir à l'aise. Et donc, et à d'autres aussi, c'est tout simplement pour avoir une famille nombreuse. Et une famille nombreuse avec beaucoup d'enfants qui vont être une main-d'œuvre. Donc, une main-d'œuvre sûre pour assurer les travaux au niveau des champs. Dans les temps, c'était ça. Maintenant, avec euh, toutes les mutations, en tout cas que nous avons euh, connues, je pense que ces raisons-là, de plus en plus, euh, on les laisse tomber parce qu'aujourd'hui, et avoir beaucoup d'enfants peut être aussi une source de, de problème. Avoir beaucoup de femmes peut aussi être une source de problèmes parce que si eh, nos parents ont su quand même vivre eh, en symbiose avec euh, leur co-épouse, parce que généralement quand on essaie de regarder, eh, nos parents ont vécu pratiquement dans la polygamie, mais leur polygamie vraiment ils l'ont faite parce que moi, je me souviens, moi, je suis issu d'une famille polygame. Mon père avait plusieurs femmes. Mais euh, il a fallu, en tout cas, avoir euh, un certain temps pour que je comprenne que euh, certains sont mes demi-frères ou demi-sœurs. Mhm. Tellement que vous allez voir, ma mère, par exemple, peut prendre l'enfant de l'autre, le garder avec elle jusqu'à ce qu'il grandisse, et l'autre aussi peut le faire. Donc, vraiment, ça, ça a créé une situation où vraiment les gens apprécie beaucoup mhm. cette forme de polygamie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mhm. La polygamie peut être une source de, en tout cas, beaucoup de problèmes. Donc euh, peut-être nous allons essayer de les voir. Euh, oui, si la polygamie réussit ou pas, donc euh, cela vient de l'homme, c'est la responsabilité de l'homme ou pas Bon, si la polygamie, c'est vrai, nous, au niveau de l'ONG SOS, la polygamie, n'est pas répertorié comme étant euh, une forme de violence mm. en tant que telle. Mais on le dit toujours, la polygamie, c'est quand elle est mal gérée. Donc, elle peut être un facteur favorisant. Parce que vous allez, un homme avec sa femme, il va prendre la décision de prendre une deuxième et vous allez voir, il va carrément changer. Donc, pour montrer toute sa préférence pour euh, la toute dernière qui est venue. Ou bien alors pour la première aussi, donc là, ça crée des frustrations au sein de, cette famille-là. Les femmes vont commencer d'abord à, à ne pas s'entendre entre eux. De la même manière aussi, les enfants issus de ces, de ces couples-là, c'est-à-dire euh, euh, les enfants issus de ces femmes, si vous montrez une préférence pour les enfants d'une autre, donc euh, au détriment des autres, là aussi ça crée des tensions et c'est ça qui fait que dans beaucoup de foyers aujourd'hui, rencontre des problèmes. Monsieur Ayer, je reviens vers vous. Euh, selon vous, quelle est la situation actuelle de cette pratique ici au Niger Est-ce qu'elle est en hausse ou bien en baisse, la polygamie Oui, en tout cas, euh, la tendance actuellement, elle est en baisse du fait que tout simplement, euh, un certain nombre de situations, surtout des raisons économiques, euh, qui font en sorte que en tout cas, toute la jeune génération actuelle sont très réticents à vouloir prendre une seconde femme. ce qui fait que, euh, en tout cas, de plus en plus, on va voir moins de couples polygames, ou même s'ils existent, ça ne va pas dépasser deux femmes. Mm. Or, dans le temps, il est quasiment difficile même d'avoir un couple monogame. Le plus souvent, c'est deux, trois, quatre femmes. Et mais aujourd'hui, vraiment, la tendance est en train de se renverser du fait tout simplement des raisons économiques, mais également de l'influence de l'extérieur, surtout de l'Occident, hein, qui carrément contre la polygamie, qui ne fait absolument pas euh, l'apologie de la polygamie et euh, nos, nos, jeunes intellectuels ou nos jeunes du milieu urbain ont tendance à vouloir tellement copier l'Occident au point où on a, ils ont du mal, et aussi, à, à être polygames. Donc, euh, vraiment, je crois que ces deux facteurs qui font en sorte qu'actuellement la tendance est vraiment en euh, baisse. Euh, oui. madame, vous êtes toujours en ligne. nous parlions de la situation actuelle de, la pratique de la polygamie au Niger. le sociologue a expliqué que c'est une situation, une pratique qui est de plus en plus en baisse dans votre entourage, peut-on dire qu'il existe plus de familles polygames ou monogames Non, il existe moins. Parce que maintenant, c'est la situation même qui ne leur permet pas, même s'ils le veulent. Quelle est cette situation <laughs> La situation économique, l'éducation des enfants, vraiment, c'est ça qui les a. Qui, parce qu'il faut voir, c'est pas être polygame, maintenant c'est après. Hein? Savoir eh, après. gérer. Après, oui, il faut gérer les situations, que ce soit positif ou négatif, il y a les enfants, il y a la santé, vraiment. Parce que si on doit prendre le loyer, parce qu'il y a des femmes qui exigent, si tu veux, il faut, je ne veux pas être de la même maison que la première. Il faut que je sois à, pas part. Mhm. Et euh, vous savez, le coût des de, loyers, il y a l'électricité, il y a tout. tout. Il y a beaucoup de paramètres qui ne leur permettent pas, mhm. donc ils le veulent. Oui, de, par toutes euh, vos explications, euh, votre appréciation même de la polygamie, êtes-vous pour ou contre la polygamie en tant que femme Ah, en tant que femme, je suis contre. <laughs> contre. Pourquoi donc Donnez les raisons. Non, parce que des fois, c'est malgré nous qu'on est contre, parce que tu ne sais pas qui on va venir t'amener. Elle va passer tout son temps à te mettre des bâtons dans le roues. Mhm. Hein, il y a des femmes je te dis, moi, je connais parce qu'il y a un de mes promotionnels que son mari avait marié une. Je te dis, quand il est chez elle, le jour où c'est son tour, elle fera tout pour amener quelque chose pour dire. Et le matin, elle sort avec, elle dit que ah, c'est le mari qui lui a amené, mhm. ah, alors qu'elle vient de, elle amène ça de, chez elle. Tu vois Cela crée des, problèmes. des problèmes. Chaque fois, c'est des problèmes. Parce mhm. que deux fois, c'est les problèmes qu'on évite on va te stresser, tu es toujours stressé. Tes mhm. enfants seront toujours stressés. Mhm. Mais, il revient à l'homme de gérer tous ces problèmes. Ah, mais ma chère, les hommes là, des fois, hum, il faut les laisser là où ils vont. Merci. Euh, restez toujours à, l'écoute. Monsieur Alzouma, vous avez entendu euh, l'intervention de, notre invité. Quel euh, commentaire Bon, effectivement, comme elle l'a dit, aujourd'hui, on constate qu'il y a de moins en moins de polygamie. Et cela est dû au fait que, euh, c'est vrai, la situation économique euh, du pays et ne le permet pas. Parce qu'aujourd'hui, qui dit polygamie dit famille nombreuse, enfants, donc beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, avec euh, le coût de la vie, donc la charité de la vie, il faut assurer l'éducation des enfants, il faut assurer la prise en charge sanitaire des enfants, il faut aussi assurer la scolarité des enfants. Donc, euh, si on ne peut pas le faire, donc vous voyez dans quelle situation donc on va mettre sa famille. Donc voilà un peu ce qui freine aujourd'hui, ce qui font que les gens se marient de moins en moins. Bien que y a certains aussi, et tout ce, qu'on vient de citer là, en tout cas, euh, n'est pas un problème pour eux, ils continuent toujours à persévérer dans cette, euh, pratique. là donc avec tous les lots de problèmes que ça peut les engendrer. Euh, de par vos expériences euh, sur le terrain, quelles sont les couches sociales les plus concernées par la polygamie ici au Niger Bon, d'abord, si on essaie de faire, de, regarder un peu, nous avons constaté que, du point de vue revenu d'abord, si on prend par exemple au niveau de la fonction publique, c'est beaucoup plus ceux qui ont des bas salaires. C'est eux qui ont aujourd'hui, qui sont aujourd'hui polygames et qui ont beaucoup d'enfants. Mm. Tout simplement parce que eh, eh, ça fait grossir leur salaire, mm. donc avec les indemnités, les allocations familiales. Alors que si vous essayez de voir, euh, ce n'est rien. Euh, L'allocation familiale aujourd'hui au Niger, on sait que ce n'est pas grand-chose. Donc, euh, prendre cette raison-là pour avoir beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants, moi, je pense que c'est une erreur. Maintenant, par rapport aux couches les plus touchées, le phénomène de polygamie, je parle sous le contrôle de, de mon collègue sociologue. Je pense que ça se, on rencontre ça beaucoup plus chez les Hausa que dans la région de Maradi, la région de Zender, Tawa, parce que chez les Touaregs, la polygamie, euh, en tout cas, n'est pas euh, très présente, hmm. chez les Peuls non plus, mais quand même chez les Hausa, euh, je pense que eux, c'est la couche sociale la plus touchée aujourd'hui au hmm. Niger par le phénomène de la polygamie. Monsieur Aïe, sur la question des couches sociales plus concernées, vous avez quelque chose à ajouter Oui, peut-être pour un peu appuyer déjà ce que a dit. Euh, en vérité, euh, ce qu'il a dit est exact. Euh, mais je pense qu'au-delà de, de, spécifiquement du Hausa, d'une manière générale, on peut dire que c'est les sédentaires. Les sédentaires sont le plus concernés par la question de la polygamie. En tout cas, si on doit faire la classification en ce terme, parce que le nomade, le plus souvent, euh, rarement vous allez voir celui qui a deux femmes. Mais qu'est-ce qui explique cela On sait que leur situation financière n'est pas totalement, euh, ne leur permet pas de prendre autant de femmes. Qu'est-ce qui expliquerait cela Ce que je disais, il y a, beaucoup de paramètres au-delà de la situation économique. Nous l'avons vu, il y a des raisons sociales, il y a des mm. raisons économiques mm. qui peuvent euh, amener les uns et les autres à vouloir prendre beaucoup de femmes. Mais fondamentalement, dans nos communautés sédentaires et à Oussa particulièrement, c'est la religion. Ils sont, c'est un peuple qui est religieux et qui pense que euh, du fait que le prophète en a demandé ou a fait, avait plusieurs femmes, il faudrait que tous nous puissions le copier dans ce actes et faits. Eh bien, c'est ce qui les pousse le plus souvent, en dépit des difficultés économiques, à prendre euh, plusieurs femmes. Mm-hmm. Et généralement, euh, le problème, si on doit parler peut-être en termes de problème, liée à la polygamie, c'est la question d'équité. Parce que nous avons un peu ébauché la question religieuse qui, les amène à, prendre des femmes. Mais les gens font une lecture à la limite tendancieuse de la chose parce qu'ils oublient que quelque part, lorsque le bon Dieu nous a demandé d'être polygame, de marier deux femmes, trois, quatre femmes, mm-hmm. si vous pouvez être juste et équitable avec elles, mm-hmm. au cas contraire, prenez une seule femme. Mais malheureusement, les gens oublient cette conditionnalité qu'on nous a demandé. Parce que être juste, c'est une chose, mais être équitable, c'est encore une autre chose. Nous pouvons être juste avec les femmes. Si, par exemple, on doit faire un peu euh, l'explication, j'ai deux, trois femmes. Pour être juste avec elles, je leur donne chaque matin à chacune de casse Si c'est 5 francs, on donne à chacune. Mais, euh, peut-être être équitable, c'est au-delà. Mm-hmm. Il faut voir si celle-là a quatre garçons ou à quatre enfants, celle-là n'a qu'un seul, seul, enfant, tu lui donnes 5 000 francs, à celle-là tu donnes 5 000 francs, mhm. ce n'est pas équitable. Mhm. Parce que les 5 000 francs, pour celle qui a quatre enfants, ça fait déjà 5, euh, bouches à nourrir, et celle-là c'est deux. Donc en termes d'équité, il faudrait peut-être augmenter pour celle qui a euh, quatre, enfants, là, avoir 7 000 ou 8 000 francs, et ici mhm. laisser les 5 000, ou bien réduire 5 000 et de l'autre côté donner les, les, 5 000. Donc c'est un peu ça. Malheureusement, dans notre société, et c'est ce qui est à la base de beaucoup de dislocations des familles, parce que tout simplement, la question d'équité n'existe absolument pas. Euh, on sait que la polygamie, la polygamie, comme toute pratique, elle a des avantages, comme vous venez euh, d'un peu effleurer, et des conséquences. Revenez un peu sur la question, quels sont les avantages de la polygamie en profondeur Oui, les avantages, c'est en tout cas la question d'affirmation de soi, comme je l'ai dit, la question de prestige ça vous donne une certaine autorité, ça vous donne euh, une certaine considération de la société. On sait que vous êtes capable, que vous avez une très grande famille. Et vous savez, dans notre société, on considère beaucoup plus le groupe par rapport à l'individu. Mm-hmm. Nous sommes dans une société qui a une certaine considération, une certaine appréciation du nombre. Lorsque vous avez une grande famille, un, grand groupe, vous êtes le mieux euh, considéré par rapport à celui-là qui a une famille euh, réduite, mm. une famille qui ne dépasse pas euh, le père, la mère et les petits-enfants. Mm. Donc vraiment, par rapport à ceux qui ont une très grande famille, ils sont le plus considérés, ils sont le plus appréciés de la société. Oui, et, qu'en est-il donc des inconvénients les inconvénients, c'est beaucoup plus la dislocation. Malheureusement, lorsque la polygamie elle est mal gérée, nous tombons dans ce qu'on appelle la dislocation rapide des familles, de la mm. cellule familiale vous allez voir des, des, enfants du même père qui sont susceptibles d'être en, harmonie, qui sont susceptibles d'être ensemble pour euh, le développement de, leur cellule familiale, mais c'est eux qui vont perdre tout leur temps, qui vont passer tout leur temps à se chamailler, à se diviser, à se quereller, et ça crée de véritables frustrations. Mm. Ça crée des violences à la limite, ne serait-ce psychologique, euh, au niveau de ces enfants issus des familles polygames. Parce que euh, lorsque une femme est choyée, il va de soi que ses enfants le soient. Et lorsque une femme est marginalisée, elle n'est pas considérée, il va de soi que ses enfants sont abandonnés, mhm. délaissés à eux-mêmes. Et ça, c'est des situations qui peuvent avoir des conséquences psychologiques énormes sur l'individu et les enfants, vous allez peut-être trouver ces genre des enfants complètement effacés mhm. parce qu'ils n'ont pas une certaine considération. Ils n'ont jamais eu d'affectation de leur père, mhm, mhm. de, encore moins de leurs frères. Ils sont toujours relégués au second plan. Et euh, lorsqu'ils vont euh, vivre et grandir dans cet environnement-là, ils vont incontestablement développer un certain nombre de séquelles. Oui, une autre question, la polygamie, euh, est-ce qu'elle a des autres, euh, d'autres impacts sur le revenu des chefs de famille et sur leurs activités même Évidemment, mm. évidemment. Euh, je le disais la dernière fois, il serait difficile aujourd'hui de ne pas constater dans la circulation des, familles ou des pères de familles qui sont là en train de passer de mosquée à mosquée pour demander à Kémandé, pour demander de l'aumône, pour demander un appui, parce que tout simplement, ils ne peuvent plus gérer les familles. Et le plus souvent, si vous partez, euh, c'est des gens qui ont déjà deux, trois femmes. Malheureusement, du fait que la situation économique du pays ou de la sous-région est devenue encore plus drastique, il les est quasiment impossible de pouvoir se venir à ses besoins. Mm. Et ce que les gens oublient, ce n'est pas uniquement d'être un mettre au monde des enfants, mais il faut savoir assurer leur éducation. Mm. Or, en termes d'éducation, imagine un seul monsieur ou un seul père de famille qui a 10 enfants, qui a 20 enfants. Comment est-ce qu'il peut assurer leur ah, éducation Il n'est absolument pas possible. Donc, lorsque peut-être on est dans une famille où la polygamie a réussi, le père là, il peut se faire relayer par les fils aînés. Mm. Les enfants aînés peuvent prendre en charge l'éducation, ne serait-ce en termes moraux, de valeurs sociétales à transmettre aux enfants, ils peuvent l'aider. Mm. Mais lorsque il n'y a pas cette possibilité. Ils ne sont pas dans une. Il serait quasiment impossible pour le père d'assurer l'éducation de ses enfants. À plus forte raison, l'éducation scolaire. Mm-hmm. Merci à vous, Monsieur Alzouma. Les impacts, euh, ils sont nombreux. Euh, et on le constate dans, la société, comme l'a expliqué M. Hayé, dans les familles polygames, les membres ne s'entendent pas pour la plupart et sont en perpétuelle euh, querelle et finissent parfois par se bagarrer et même aller euh, au pire de le partage de l'héritage, par exemple. Selon vous, quels sont ceux qui peuvent avoir des conséquences Quels sont les impacts de la polygamie sur les enfants issus d'une famille polygame Bon, la polygamie, est, en tant que telle, on le dit, elle n'est pas une mauvaise chose, mhm. mais c'est quand elle est mal gérée et qu'elle devient vraiment euh, euh, quelque chose vraiment de déplorable. Parce que, comme l'a dit M. Aïe, la polygamie, euh, se pose en ces, termes-là. C'est-à-dire, vous allez voir des enfants qui sont issus d'un foyer polygame, parce qu'ils ont vu que leur, euh, leur maman ou leur, leur père avec leur maman ne s'entendent pas. Mm-hmm. Donc, et deux fois aussi, ils sont, les enfants sont utilisés donc, euh, dans ces, ces querelles-là. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Vous allez voir une famille à un certain moment où les enfants issus de cette famille-là ne s'entendent pas, tout simplement parce qu'ils ont été élevés dans cette atmosphère-là et là, vraiment, je pense que c'est quelque chose de, très déplorable. La polygamie, initialement, eh, devrait être un facteur, en tout cas, de cohésion, un facteur, en tout cas, qui va permettre eh, l'unité donc au sein d'une famille, qui va permettre l'unité eh, au sein d'une communauté. Mais en fin de compte, on constate que quand elle est mal gérée, en tout mhm. cas, elle ouvre des voies beaucoup de problèmes. Oui, justement, votre ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violence œuvre pour lutter contre toute violence familiale. Est-ce que toutes ces disputes, le manque d'affection des parents et autres, peut être considéré comme une violence faite sur l'enfant Oui, parce que euh, moi je me dis que l'enfant n'a pas demandé à, à, naître, à venir au monde. Et je pense que du moment où l'enfant est venu au monde, du moment où il est né, il a besoin d'être euh, en tout cas entouré de beaucoup de soins. Hmm. Et si l'enfant devrait être utilisé dans des querelles, en tout cas euh, au niveau familial, là, ça, porte atteinte en tout cas à, son intégrité mentale. Hmm. Et c'est ça qui fait que des fois, vous allez voir des enfants qui ont vraiment des problèmes psychologiques hmm. et, euh, qui sont des enfants qui sont issus de ces familles-là. Et donc, comment vous prenez en charge cette question au niveau de votre ONG Bon, c'est vrai, nous recevons beaucoup de, beaucoup de cas. En tout cas, quand on essaie de voir euh, les, les, femmes qui viennent euh, ou les enfants qui sont victimes de violences, euh, la plupart des temps, quand on essaie de, de faire un peu l'analyse de la situation, on finit par, par savoir que c'est un problème typiquement dû au fait que c'est une polygamie qui est mal gérée. Mhm. Voilà un père de famille aujourd'hui qui a plusieurs femmes et qui n'arrive pas à être, à être juste ou à être équitable, comme a eu à le dire euh, M. Et être équitable, c'est quelque chose de, très difficile. Et parce que c'est vrai, l'islam même a permis, on a dit, vous pouvez prendre une femme, deux femmes, trois femmes, mhm. jusqu'à quatre. Mais si vous savez que vous ne pouvez pas être juste une seule, vous suffit. Et c'est pas pour rien que cela a été dit. Et c'est là où beaucoup vont être pris au piège. Mhm. Parce que être juste là, c'est quelque chose de très difficile. On a vu même le prophète, on a dit, il a une tendance. Mhm. Mais c'est savoir ne pas faire ressortir ça. C'est ça qui est important. Or, aujourd'hui, nous humains, nous êtres de ce bas monde-là, nous savons que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas assurer. Donc voilà un peu des situations qui, la plupart des cas, quand ils viennent, c'est ce genre de, de situation-là où un père qui se marie avec une autre femme, et qui abandonne carrément la première femme avec les enfants. Mhm. Donc vous voyez, tout ça, là, c'est des choses que nous, nous gérons eh, au quotidien. Merci à vous. Eh, nous prenons notre invité qui est en ligne. Pour finir, quel, quel conseil, vous avez un conseil à donner eh, Qu'est-ce que vous avez à dire pour que vraiment la polygamie puisse être bien pratiquée ici, dans les familles ici au Niger Quel est votre mot de fin Moi, vraiment, ce que je dois dire à mes frères, pères, vraiment et enfants qu'il soit vraiment juste, mhm. équitable, de ne pas vraiment montrer la préférence d'une envers l'autre. Mhm. Hein? Mhm. Parce que ces enfants-là, même si ces enfants-là, ce sont tous des enfants. Ce sont tous ces enfants. Donc, et ne, ne, tout à ce que tes femmes ne mêlent pas ces enfants dans leur vis dans leur querelle. Et toi l'homme, étant l'homme devant tout. Et c'est toi qui dois trancher et c'est toi qui dois juger. Mhm, mhm. Et c'est toi qui dois donner le bon exemple. Merci à vous, euh, Madame, euh, pour votre intervention et à la prochaine. Merci beaucoup, Madame. Je reviens dans ce studio avec vous, Monsieur Alzuma. Pour finir, quel conseil aux hommes euh, pour réussir une bonne vie polygame moi, je pense que la clé de la réussite euh, de la polygamie, elle est entre, pratiquement entre les mains de l'homme. Parce que c'est l'homme qui est appelé à gérer sa, famille. Donc, c'est lui qui devrait être à mesure, en tout cas, de tout faire pour ne pas montrer, c'est vrai, cette préférence-là euh, d'une femme au détriment de l'autre ou bien d'un enfant au détriment de l'autre. Mm-hmm. Et si c'est là, euh, je pense qu'assurer déjà c'est un point de gagné. Mhm. Parce que la polygamie en tant que telle n'est pas une mauvaise chose, on, on l'a dit. Et de l'autre côté aussi, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vont euh, qui vont le dire que la polygamie c'est une bonne chose parce que ça permet aussi de résorber un peu le, le taux en tout cas élevé des femmes qui sont sans mari. Mhm. Donc si les hommes ne vont pas prendre deux, trois, je ne vois pas par comment les femmes qui n'ont pas de mari pour le retrouver. Mhm. Parce qu'on sait que statistiquement, euh, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mhm. Donc, quelque part, je pense que euh, beaucoup diront que la polygamie est une bonne chose. Mhm. Mais quand même, c'est quand elle est mal gérée qu'elle peut être vraiment, euh, qu'elle peut montrer son, côté négatif. Merci à vous, Monsieur Alzuma. Monsieur Aye, pour finir, que ah. faire pour que les familles polygames puissent vivre en harmonie je pense que euh, pour créer cette vie en harmonie dans une famille polygame, il faut d'abord qu'on sache ce qu'on veut. Je pense qu'en toute chose, il faut savoir pourquoi on veut être polygame. Mm. Si on a un objectif clair et précis, je ne pense pas qu'il puisse y avoir quelqu'un qui aura un objectif de vouloir euh, créer une famille polygame pour disloquer ses enfants, pour créer euh, la zizanie et la discorde à l'intérieur de son foyer. Je pense que l'objectif, c'est vraiment d'agrandir la famille, euh, d'avoir une certaine euh, prestige, une sorte de, de, puissance, d'affirmation du soi en termes de puissance sociétale ou économique et politique même. Eh bien, lorsque les choses sont claires en termes d'objectifs qu'on se fixe, je pense qu'il faudrait maintenant essayer d'assurer mm-hmm. la justice et l'équité. Mm-hmm au sein de la famille. Assurer la justice et l'équité parce que c'est fondamental. C'est les deux choses qui vont permettre à la famille de rester unie. Mm. C'est les deux choses qui vont permettre à la famille, à toute la famille, en dépit du fait qu'ils ne sont pas de la même mère, qu'ils puissent se retrouver et avoir ce sentiment d'appartenance à une même famille, à mm. un même père. Mm. Eh bien, euh, je pense hein, euh, que la polygamie en soi, c'est une solution. Une solution peut-être africaine, peut-être euh, religieuse à cette tendance de euh, d'un taux élevé mm-hmm. des femmes par rapport aux hommes, euh, peut-être en Occident, je pense que c'est cela. Hein. Il faudrait que nous puissions revaloriser, minimiser au maximum le côté, les conséquences négatives de la polygamie, pour que ça devienne un exemple, un modèle. Mhm. Parce que tant que le côté négatif va prévaloir sur le côté euh, positif, eh bien les gens vont fuir la polygamie. Mais, le jour où nous serons à mesure de, positiver la polygamie, je pense que ce serait mhm. véritablement une solution au trop plein de femmes entre griffes, vraiment dans les sociétés, dans les communautés. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, comme vous venez d'entendre tous nos intervenants, la polygamie en tant que telle n'est pas une mauvaise chose. Euh, il revient à l'homme de bien gérer sa famille, euh, il revient d'être juste et équitable pour réussir une bonne vie euh, polygame. Et c'est sur ces mots que se referme le forum de ce soir. Nous étions avec Monsieur Alzouma Traoré, chargé des programmes à l'eau ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales. Et M. Issa Alou Aye, il est sociologue. Merci également à notre euh, troisième invité resté en ligne qui a préféré garder l'anonymat. Merci d'être venu. À demain pour une autre thématique.